le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Gamache Monsieur, dames, euh, bonsoir. Il est 18h euh, passé de 15 minutes. Euh, merci d'être à l'écoute du studio Kalangou et bienvenue au forum de la presse de ce vendredi 30 juin 2017 à la présentation Rahila sumana. Cette page euh, horaire est un espace euh, d'échange avec nos confrères de l'audiovisuel, euh, de la presse écrite et ou en ligne dans le respect mutuel. Comme chaque vendredi, ce forum est consacré au décryptage des faits ayant marqué l'actualité de la semaine écoulée. Nous sommes ce soir avec Arémi Abakari du groupe Alternative. Bonsoir. Bonjour, Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Bonsoir. Bonjour. Avec vous, ce soir, nous allons aborder tout d'abord euh, les affaires en justice euh, avec euh, les interpellations à la police judiciaire le 22 juin dernier de deux membres du collectif de la société civile nigérienne. Il s'agit notamment de Bana Ibrahim, membre du bureau des jeunes du Modène F.A. Lumana, et de Gamache Mamadou Yansambou, secrétaire général adjoint de la Confédération générale du travail CGT Niger et secrétaire général du Cinco Taxi. D'autre part, celle de Baba Alpha, journaliste du groupe de presse Bonferrey et son père en prison depuis le 3 avril 2017. Ils sont poursuivis pour usage de faux. Leur procès prévu mardi dernier a été à nouveau renvoyé au 4 juillet prochain. Nous aborderons aussi la question de la migration dans la région d'Agadez. Encore 75 migrants ont été retrouvés et celle sécuritaire avec le président tchadien qui menace de retirer ses troupes du dispositif de maintien de la sécurité dans la sous-région. Enfin, nous parlerons sport, notamment du championnat du monde de taekwondo avec la victoire hier d'Abdelrazak Issoufou Alfaga à la finale face au Britannique Mahamacho. Ce sont là, entre autres, les sujets dont nous allons débattre pendant ces 45 minutes. Bonsoir. Euh, je le disais tantôt, l'interpellation la semaine dernière euh, de Bana Ibrahim, membre du bureau des jeunes du Modène F. à Lumana, et Gamatia Mamadou Yansambou, secrétaire général du syndicat des conducteurs de taxi, Cinco Taxi. Selon Maître Amadou Lafou, l'avocat de Bana, il s'agit d'une poursuite judiciaire qui fait suite à une plainte du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman pour dénoncer un jeu de discrédit sur le corps de la magistrature après des publications faites sur les réseaux sociaux par les personnes interpellées. Tous les deux ont été présentés le mardi 27 juin dernier au procureur de la République du tribunal de Niamey. Après leur audition, ils sont placés sous mandat de dépôt pour flagrant délit par le ministère public. Ils ont été présentés ce matin au juge et le procès est reporté au 6 juillet prochain. Garé Amadou de la Nation, euh, qu'ont-ils euh, véritablement écrit sur euh, leur mur et selon vous, la plainte du Samana était-elle justifiée Non, euh, c'est n'est pas à moi de juger de la plainte d'un syndicat. Un syndicat est libre n'est-ce pas, euh, de, se, de, de, se, de, se, comporter, en tout cas de se, de se déterminer par rapport à certaines situations. Le Saman a jugé utile de, porter plainte, c'est leur droit. Je n'ai pas apporté un jugement sur, sur, sur, ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit sur ce plateau-là il y a quelques semaines de cela, c'est que sur les réseaux sociaux, il se passe des choses qui méritent que les gens euh, prêtent attention et que les gens fassent attention. C'est-à-dire qu'il y a des dérives qui sont en train de se dérouler et qui, qui, nécessite à ce que vraiment des, mesures, je ne sais pas, euh, des, nouvelles lois soient, votées pour mettre de l'ordre dans le domaine. Euh, concernant ce que, ce que le, j'ai suivi un des, postes, effectivement très très très critique contre contre les magistrats. Vous savez, le code des magistrats c'est un corps assez particulier sur les réseaux sociaux, on peut insulter le président, ce que les gens font tout le temps, n'est-ce pas Ils insultent le président, ils insultent sa famille, etc., etc. Ils insultent des membres du gouvernement, ils insultent des personnalités, ils insultent des personnes, n'est-ce pas, et leur famille, euh, sans que cela n'ait des conséquences. Vous pouvez insulter le Premier ministre, etc., tout, tout, tout, sans que cela n'ait des conséquences, parce que bon... Mais le corps des magistrats est un corps qui est protégé par la loi, n'est-ce pas L'article 170 les articles 170 et 171 du Code pénal sur les outrages et, et, sont très clairs, C'est-à-dire que quand vous portez atteinte, quand vous, quand vous faites, euh, vous diffamez un, un dépositaire de, de, de, pouvoir public, vous encourez des, des, des, des, en tout cas, vous encourez des poursuites. Donc c'est extrêmement important que les gens le sachent. C'est-à-dire que le corps de magistrat est un corps assez particulier qui est très protégé par la loi. Le corps des, porteurs de tenue aussi, n'est-ce pas L'outrage à agent, l'outrage à magistrat. Ce sont des choses qui sont encadrées par la loi. Il faut que les gens fassent attention. Pas que les gens pensent que parce que la liberté euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, apparemment, elle est sans limite. Mais si vous voyez ce qui se dit comme commentaire, je vais vous faire une, anecdote. Même à, moi, j'ai vu un commentaire sur le site d'un acteur de la société civile où un des participants de ce site-là a dit il faut qu'on fasse comme en Ouganda. On va enlever les juges et les tuer. Et c'était sur la page de, de, de de, la révolution, je ne sais pas quoi, la, révolution citoyenne je je sais pas quoi, sur sa page, il y avait un monsieur qui dit, être, qui dit habiter à Abuja qui a mis un commentaire, un Nigérien, hein, qui a mis un commentaire dans lequel il dit qu'il faut qu'on fasse comme en Ouganda. On va enlever les juges et les tuer. Vous vous rendez compte mais est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il a été sanctionné, il a été retrouvé Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vraiment, euh, c'est pour vous dire que je vous assure, les réseaux sociaux là risquent de brûler ce pays-là si on ne fait pas attention. Euh, monsieur Ousseini, vous êtes journaliste indépendant. Euh, vu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pensez qu'il est vraiment temps que les autorités trouve une solution pour réglementer euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux Quand ben, vous dites les réseaux sociaux, c'est un peu difficile de pouvoir réglementer. Ce n'est pas simplement ici, un peu partout dans le monde, c'est compliqué. Parce que c'est des, des, des, des canaux d'information qui sont là et qui sont gérés à l'extérieur c'est un peu compliqué qu'on puisse mettre une disposition ou des dispositions pour pouvoir contrôler. On ne peut pas contrôler souvent quand vous voyez sur les réseaux sociaux, souvent c'est des pseudonymes, c'est même pas des noms. On ne sait même pas qui a posté. Maintenant, le problème par rapport à ces deux acteurs-là, notamment Baba Lafa et Yamaki, je ne sais pas exactement, Bana et puis Gamaki, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont publié, pas, parce que moi je ne suis pas un fan des réseaux sociaux. C'est pas quand je vais, c'est quand j'ai un travail à faire, j'ai fait, mon travail. Mais ce que je veux dire quelque part, d'accord, ils sont pris parce que tout simplement, on considère que il y a, comment dirais-je, outrage à magistrat. Mais je veux dire une chose, c'est que il faut un peu regarder dans les rétroviseurs. Quand on regarde dans les rétroviseurs, on voit que c'est karma des membres du gouvernement qui se sont pris souvent à des magistrats. Et de manière frontale, en accusant les magistrats. Mais quand, celui qui doit donner l'exemple, il ne donne pas le bon exemple. Et quand il a l'occasion de s'exprimer, il dépasse les limites pour souvent accuser les magistrats de corrompus. Ça pose problème. C'est une façon, peut-être quelque part, ça peut inciter les citoyens à vouloir aussi abonder dans le même sens. Je me dis, dans un État de droit, dans une démocratie, c'est d'abord ceux qui sont à la tête, les membres du gouvernement, ceux qui doivent donner l'exemple. Quels que soient par ailleurs les actes posés par les magistrats, les décisions rendues par les magistrats, un ministre ne doit pas sortir dire que ceux qui ont rendu la décision sont corrompus. On a assisté à ça. Et les magistrats, une fois, sont même sortis pour dire il faut qu'on leur livre un des ministres. Est-ce que ça a été suivi des faits Malheureusement, non. Et c'est ça le mauvais exemple. Et c'est ça, il faut commencer par d'abord condamner. C'est ça, il faut commencer par déplorer. Parce que quand on veut faire une démocratie, la justice, c'est le premier pilier dans une démocratie. Mais malheureusement, on n'a pas l'impression, sous le régime actuel, que Bon, les juges sont protégés et ce qui n'était pas possible avant, à l'époque, aujourd'hui, on assiste à ça de manière flagrante. Et c'est ça qui est dommage, moi, je trouve. Parce que les gens ont l'impression qu'il y a un sentiment de deux poids, deux mesures. Personne n'est au-dessus de la loi. Et les juges sont là pour protéger et appliquer la loi. Donc, euh, Monsieur Arimi, quel est votre euh, avis par rapport à l'interpellation de ces deux personnes Oui, euh, en fait, c'est très complexe la gestion vraiment des réseaux sociaux. Normalement, euh, il devait y avoir une euh, loi pour réglementer. Euh, aujourd'hui, on va arrêter des personnes, mais on ne sait en réalité pas quoi leur appliquer au fond. Est-ce que c'est un délit commis par voie de presse Est-ce que c'est quoi On ne sait pas parce que justement, les réseaux sociaux, euh, que je sache, dans notre pays, n'ont pas cette euh, réglementation. Il n'y a pas une loi qui régit encore l'utilisation des, euh, réseaux sociaux. En cela que c'est très compliqué. Mais aussi, Hussein le disait, en la matière, il faut être très équitable. Il ne faut pas protéger que les magistrats, certes, il y a une loi spécifique qui les protège, mais ce qui se dit euh, au sujet d'autres citoyens, et euh, c'est notamment le pouvoir et l'opposition qui s'affrontent dans les... Aujourd'hui, ce qui ne se passe pas sur les antennes des radios et de télévisions se fait par vraiment réseaux sociaux interposés. Euh, s'il faut réglementer, il faut sanctionner, il faut sanctionner, à mon avis, à tous les niveaux. Euh, parce que de la même manière que le pouvoir est écorché, les magistrats sont écorchés, euh, d'autres citoyens ordinaires et tout le monde est écorché. Donc en la matière, je crois que euh, c'est vrai que c'est le besoin qui, qui crée. Euh, aujourd'hui, on sent particulièrement un besoin de réglementer les réseaux sociaux. Il faut les réglementer. tout ne peut pas être réglé en interpellant, en emprisonnant. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Il faut aussi noter que euh, les réseaux sociaux sont devenus une sorte d'échappatoire pour beaucoup de Nigériens qui aujourd'hui n'ont pas euh, accès aux radios, n'ont pas accès à la télévision et c'est une façon de se défouler, de dire des choses vraiment euh, qu'elles pensent. Donc si on se met à traquer euh, les personnes qui essaient de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent de cette manière-là, je pense que ça peut aussi mal se passer parce que dans tous les cas, les gens vont vouloir trouver les moyens de s'exprimer. Merci, Arimi. Euh, il y, a, y, a, cela, mais il faut savoir que ce n'est pas les seuls qui sont interpellés. Hier, j'ai appris aussi qu'un autre internaute à la personne de Kassoum Abdoulaye, pour ceux qui le connaissent, il est très rompu en la matière, mais il est agent de joueur, donc c'est pourquoi moi je suis certainement au courant euh, de son interpellation. Lui aussi a été interpellé pour avoir publié, euh, avoir fait des publications du même genre. Mais aussi, euh, n'oublions pas l'affaire Alitera, euh, on ne sait pas s'il sera expulsé des États-Unis pour venir dans notre pays ou pas. Donc, ça devient vraiment une préoccupation nationale et il faut avoir la tête froide pour régler cette affaire-là avant, parce que sinon, euh, les prisons ne vont pas contenir, Garé l'a dit, ils sont nombreux les gens qui, qui, en parlent, euh, qui disent ce qu'ils pensent et façon, de façon trop crue, euh, pas comme nous journalistes parce que c'est pas leur métier. Donc les prisons ne vont pas contenir les personnes qui sont qui déraillent là-dedans. Gare, vous voulez ajouter quelque chose Oui, c'est ce que, j'ai dit en fait, on dit, on dit tous la même chose. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne s'agit pas en fait de restreindre les libertés des gens, les libertés d'expression, parce qu'il eh, eh, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui font des commentaires vraiment polis, qui critiquent mais vraiment dans la politesse, dans le respect, et eh, qui, ne, versent pas de l'invective et des insultes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse réglementer pour que les gens puissent savoir que ce n'est pas tout qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Quand vous portez atteinte à l'unité nationale, quand vous appelez à la haine, quand vous appelez à la guerre, quand vous insultez des gens, quand vous insultez leur famille, ça, ce n'est plus de la liberté d'expression. Et je pense que c'est effectivement, comme Monsieur l'a dit, c'est un problème mondial. Il faut qu'on trouve les moyens de pouvoir dire aux gens qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, même pas les réseaux sociaux. Parce que justement, ce que j'ai rappelé, les articles 170, 171 du Code pénal, disent très bien que toute et, diffusion d'informations visant à porter atteinte à un, fonctionnaire déposé de l'autorité publique sera passible de tant, tant, tant, tant, tant peine de prison, tant peine de... Voilà, c'est ce que la, loi dit. Qu'importe la voie que la personne Voilà, c'est très clair, hein, la loi est très claire. Mais il s'agit effectivement d'être encore plus clair pour dire que... pour préciser parce que les avocats trouvent toujours la petite bête quelque part, la petite faille pour pouvoir défendre leurs. Mais il faut trouver la, faille, de mettre que à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, là c'est très clair. Donc je pense qu'il y a du travail à faire effectivement. D'accord, nous allons partir de, parler d'autres jugements attendus à Niamey, c'est celui de Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré et son père, il, il, était ce mardi 27 juin devant le juge du tribunal de grande instance de Niamey. Leur procès a été à nouveau renvoyé au 4 juillet prochain à la demande du procureur. Pour rappel, euh, placé sous mandat dépôt depuis le 3 avril 2017, euh, Baba Alpha et son père, âgé d'environ 70 ans, sont poursuivis pour euh, usage de faux après la requalification de la première accusation de faux et usage de faux en écriture publique. L'avocat de Baba Alpha, maître Aboubakar Mossi, nous donne quelques détails. Pour la première fois, après plus de trois mois d'instruction, un premier renvoi qui a été fait à la demande uniquement de conseils, le parquet surgit pour lui aussi demander un renvoi pour un motif fallacieux. Parce que le procureur qui a monté dit que lui ne connaît pas le dossier et que par conséquent, il faut qu'on renvoie le dossier pour que celui qui le connaisse vienne assister à l'instruction du dossier. Et si le parquet 1 est divisible, le parquet qui a poursuivi ne peut pas arguer de motifs sans fondement pour demander le renvoi. Nous avons demandé que l'équilibre soit rétabli en ordonnant la liberté provisoire des accusés, le temps que le parquet soit en état. Parce que, entre autres motifs, il a demandé à ce que comparaisse comme témoin un certain Ango qui n'a jamais été appelé à l'instruction. Vous venez là d'entendre Maître Mossi, c'est l'avocat de Baba Alpha. Ousseini, vous êtes journaliste indépendant. Qu'est-ce que cela suscite en vous oh ben, on voit un peu la complexité de, ce dossier-là. La complexité en ce sens que <laughs> Ils étaient au départ trois à être arrêtés. Et en cours de route, il y a un qui a été mis en liberté. En tout cas, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas un nom lieu qui a été prononcé le concernant On a réqualifié pour dire qu'ils ont eu le faux, mais le faux, c'est lui qui a fait, parce que moi, je suppose qu'il y a quelqu'un quand même qui a fait le faux. Mais <laughs> si cette personne qui a fait le faux se retrouve dehors pendant que les deux autres qui ont usé du faux, ils sont encore en détention, moi, je dis, il y a quelque part problème il ne faut pas se voiler la face. On sait un peu <laughs> le, côté acerbe, les critiques acerbes de Baba Quand il fait ses, comme dit, ses commentaires et ses analyses, quelque part, il faut faire un lien entre la manière dont il critique le régime et la situation dans laquelle il s'est retrouvé du jour au lendemain. Mais je pense que, euh, dans tous les cas, <laughs> il y aura le procès et que, <laughs> quand il y a procès, il faut effectivement faire en sorte que la justice prévale faire en sorte que la justice prévale suppose que de la même manière que celui-là qui a fait le faux est en liberté, que ceux-là qui sont encore en détention recouvrent leur liberté. C'est ça le plus important. Mais ce que je déplore et aussi par rapport à la gestion des dossiers, c'est un peu, et, comme avait dit, la timidité des organisations socio-professionnelles des médias. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a une mobilisation autour de ce dossier-là. Et ça fait que les journalistes, de plus en plus, sont <coughs> exposés. Sont exposés parce que tout simplement, quand on arrête un journaliste sur des bases souvent fallacieuses, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de mobilisation comme on en a connu par le passé pour demander à ce que la personne soit libérée. Malheureusement, j'interpelle les organisations pour qu'ils se ressaisissent parce que tout simplement, comme avait dit, euh, <laughs> la, suppression des peines privatives de liberté pour des libres, dans son cas précis, bon, c'est pas lié. Mais j'ai dit, c'est un journaliste quand même, il a mérite d'être défendu par la corporation. Donc, euh, vous êtes journaliste euh, au groupe Alternative. Quelle est votre réaction par rapport à cette affaire euh, Écoute, euh, j'ai souvent eu le sentiment de, de mais cette fois-ci, vous, avez, vous, savez, il n'a pas été, euh, Baba Alpha n'a pas été malheureusement, pour nous, en tout cas, défenseur euh, des droits de, de, l'homme et donc des journalistes, il n'a pas été pris pour euh, euh, une affaire vraiment, pour un délit, en tout cas commis par voie de presse ou quelque chose comme ça même si on connaît les critiques acerbes de, de, de Baba Alpha, aujourd'hui, en tout cas, le, le manège a été trouvé, la, que ce n'est pas pour ça qu'il est accusé. Moi, je pense que c'est ça qui complique le, cas des associations, la, position des, associations, qui ne peuvent pas aujourd'hui, sur aucune base, sortir dire que voilà, vous avez arrêté notre militant, vous avez arrêté, arrêté notre confrère pour avoir commis ceci, libérez-le. Non, c'est une histoire de faux et usage de faux qui est réqualifiée, qui est devenue une histoire d'usage de, faux tout simplement, qui lui est collée. Cependant, euh, Baba n'est pas lâché. Euh, parce que moi je lui rends visite et je vois que euh, les camarades, tout le monde, il est moralement soutenu et ce qui lui permet certainement de, soutenir. Mais c'est complexe, c'est difficile. Quoi qu'il en soit, il n'y a que le juge qui peut aujourd'hui vraiment décider de ce qu'il peut dire, vraiment de ce qu'il peut faire. ça peut être un procès politique, mais aujourd'hui, au moins, la forme y est pour dire que c'est une histoire d'usage de faux. Et on est obligé, pour l'instant, de s'en tenir. Donc, euh, Garé, vous êtes euh, du quotidien La Nation. Quel est votre point de vue Oui, il faut dire que déjà, on a parlé de ce sujet-là sur, ce plateau. C'est-à-dire que, euh, effectivement, comme l'a dit Armi, il ne faut pas mélanger les choses. malheureusement, pour Baba Alpha, c'est dans une affaire de faux qu'il a, a, été pris. Comme l'a déjà été une fois, je crois, un autre journaliste, Marcus Lawson, je crois, qui, qui, euh, qui a fait aussi un cas de faux. Ce qu'il faut, les organisations, en fait, en réalité, ils connaissent le dossier, en fait. Ils connaissent l'affaire. Si vous voyez les organisations se taire, c'est qu'il y a quelque chose. Mais moi, je dis, je suis heureux que cette affaire soit maintenant entre les mains de la justice et que ah, Baba Alfa soit défendu et son pas soit défendu par un avocat, euh, il faut laisser à la justice euh, se, prononcer sur une affaire. Je n'ai pas pour euh, habitude d'interférer de, dans les affaires de justice ou de me prononcer. Non, non. J'espère que ça va bien se passer au niveau de la justice et qu'il y aura un jugement. Mais ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que nous fassions très attention, madame. Si aujourd'hui vous me donnez de l'argent, à la sortie de ce studio-là, vous venez d'amener ça à monsieur, par exemple, Gallo quelque part, n'est-ce pas Il est au, niveau de, El Nasser. Et que je bouffe ce argent-là tout journaliste que je suis, vous pouvez porter plainte et je vais en prison, parce que là, j'ai fait de l'escroquerie. Donc, il y a le délit qu'on pour voir de presse. Et, le, journaliste, c'est d'abord un citoyen qui doit aussi respecter la loi, qui doit aussi faire en sorte que ne pas, par exemple, voler, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. S'il fait toutes ces choses-là, forcément, là, il peut, il peut être arrêté. Il faut que les gens se, faut pas que les gens pensent que non, non, quand on est journaliste, on a carte blanche pour faire tous les abus, n'est-ce pas, pour commettre tous les délits et penser qu'on peut s'en sortir. Non, non. Les délits commis par le de presse sont protégés, c'est vrai, par la loi, mais les cas d'escroquerie, etc., etc., etc., sont passibles de poursuites judiciaires, c'est très clair. Maintenant, je ne dis pas que Baba Alpha est coupable, j'ai dit, j'espère qu'il y aura un procès équitable au cours duquel, maintenant, les responsabilités seront situées, ceux qui seront coupables seront condamnés, ceux qui seront innocents seront libérés, c'est tout simple, c'est pas la peine que les gens fassent du tapage pour rien du tout. Merci, Gary. Donc, euh, autre point de ce forum, avec euh, le président tchadien Idriss Déby, qui menace de retirer ses troupes du dispositif de maintien de la sécurité dans la sous-région. Le manque de soutien par les pays occidentaux et la raison avancée par le président tchadien. C'était au cours d'un entretien le dimanche dernier avec les journalistes français de la radio France Internationale RFI, TV5 Monde et Le Monde. Ousseini, vous êtes un journaliste indépendant. Selon vous, à qui revient la charge de nos différentes troupes militaires en mission dans la sous-région Je l'ai suivi personnellement, je l'ai suivi dimanche. Euh, quand il était interrogé par TV5, RFI. Et j'ai trouvé quand même que il a été, ah, il a eu un ton très dur, et je le comprends tout à fait. Je le comprends parce que le cas des pays producteur depuis pratiquement, je crois, je ne sais plus exactement, c'était en 2000, à partir de la décennie 2000. Voilà un pays qui produit du pétrole, mais voilà un pays qui est engagé dans des guerres sur des fronts en Centrafrique, au, Mali et, comme avais-je dit, au Niger et qu'il consacre l'essentiel parce que c'est ça qui a fait le problème. Il s'est retrouvé confronté à des problèmes, comment dire, des ressources budgétaires parce qu'une bonne partie des ressources sont consacrées à la guerre. Et de l'autre côté, quand on sait que cette guerre-là, c'est pas seulement une guerre pour le Sahel, c'est une guerre qui concerne y compris l'Occident et qu'il ne voit rien venir. Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison de poser le débat que ça ne doit pas pouvoir continuer de cette façon. Nous pouvons gérer chacun nos territoires, faire en sorte qu'il n'y ait pas, comme avait dit, des actes euh, gravissimes contre les populations civiles, mais nous ne pouvons pas prendre des forces, amener sur d'autres territoires, faire le combat, pendant qu'il n'y a pas le soutien. Et vous savez bien qu'une guerre coûte très cher. Ça coûte extrêmement cher. Et quelque part, j'ai fait le parallèle, j'ai suivi la dernière fois le ministre des Finances Massoudou, à l'occasion de, comme avait de la signature d'une convention de de machin d'avenant par rapport à, un appui, comment dirais-je, de l'Italie dans le cadre de la lutte contre le, le, machin, la, migration. Et un avenant, je crois, de 20 millions où il faisait, il faisait comprendre que pratiquement la guerre qui est en train d'être menée par le Niger et pratiquement coûte à quelque chose de 20, 15% du budget national. 15% du budget national, ça veut dire que on doit, ça va avoir des effets sur les autres secteurs, les, investissements dans les autres secteurs sociaux, comme l'éducation, comme la santé, comme il faut que les Occidentaux en tiennent compte. Parce que le tout n'est pas de venir dire on va venir vous soutenir, mais le soutien doit pouvoir se faire de manière vraiment plus directe. C'est pas envoyer des troupes seulement qui suffisent. Il y a déjà des troupes, il y a des, militaires dans nos pays. Il faut pouvoir amener les moyens matériels nécessaires et le financement nécessaire pour que nos militaires puissent être à mesure de lutter contre comme avait dit, contre ces forces obscures qui sont là, qui menacent et qui menacent pas que nous, qui menacent y compris les pays occidentaux. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Il ne peut pas continuer à maintenir des troupes pendant que l'argent qui est généré par le pétrole ou le peu d'argent avec la chute, le peu d'argent, il est obligé de consacrer ça à des guerres. Moi, je suis d'accord avec lui. D'accord, Arimi de, du groupe euh, Alternative, est-ce que cela veut dire que les autorités comptent euh, uniquement sur euh, ces occidentaux pour assurer notre sécurité Non, c'est la preuve plutôt que ces autorités ne comptent pas exclusivement sur les occidentaux. Idriss Déby est et à 300 milliards de francs CFA investis sur fonds propres euh, dans le cadre vraiment du maintien de la paix, donc l'entretien de l'armée malienne, euh, euh tchadienne engagée au Mali, engagée au Niger avec Boko Haram et, au Niger. Donc c'est énorme. C'est énorme et ça, nous, on l'a dit, euh, nos pays ne peuvent pas euh, le soutenir vraiment, le, résister à vraiment euh, à cette dépense-là. Et malheureusement, ni les Occidentaux, moi je pense, euh, ne peuvent pas investir suffisamment pour entretenir nos armées. Et, et c'est pour dire tout simplement qu'on aura beau tourner, on va revenir, que ce n'est pas la force qui va régler le problème que nous sommes en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, un amalgame est fait entre le problème sécuritaire et, euh, et la migration. On pense qu'il faut lutter contre l'insécurité pour que la migration n'y soit pas, ainsi de suite. Un amalgame parfait est fait et on a le sentiment d'un besoin de dépenses euh, sécuritaires énormes qui pèsent sur nous. Nos gouvernants doivent pouvoir se dire, avoir la lucidité de se dire que, écoutez, ce problème, nous devons pouvoir le régler à notre manière. Euh, parce que quand tu as une population à euh, plus de quoi 30, 40, 50% extrêmement jeune, moins de 25 ans, quand euh, tu as une école qui ne marche pas, quand tu as un secteur de, l'emploi vraiment aux oubliettes, quand tu as une santé qui n'est pas du tout garantie, écoutez, qui, à, votre avis, qui alimente tout le terrorisme mais c'est bien sûr nos fils, nos soeurs, nos, c'est des citoyens comme nous. Ce n'est pas des, étrangers qui viennent faire la guerre sur nos territoires. Aujourd'hui, chaque fois qu'on les prend, on sait que c'est des Nigériens, c'est des Maliens, c'est des Mauritaniens, c'est des Algériens. On sait que c'est nos gens qui font cette situation. Pourquoi ils le font C'est ça qu'on doit savoir. on a une population qui est oubliée il y a une, on a une population et, et des dirigeants vraiment qui sont séparés par un fossé. Il faut s'arrêter pour réfléchir. Aucun budget, je vous assure tout, c'est ma conviction personnelle, aucun budget ne pourra soutenir cette guerre-là. D'accord, Gary, votre mot Oui, euh, ce, que j'ai dit, euh, je suis d'accord sur beaucoup, en tout cas sur tout ce que Hussein a dit, je suis d'accord avec lui, sur Arimi, je suis d'accord sur, mais, mais il y a une réalité aussi qui est là, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire la guerre. Parce que rien qu'avant-hier, je crois que deux kamikazes se sont fait exploser dans un camp de réfugiés à Difa, deux femmes kamikazes se sont fait exploser, ils ont tué deux personnes. Donc, pour le moment, il faut faire la guerre. Mais en même temps, les pays ont pris conscience de la situation, que, en même temps qu'il faut faire la guerre, il faut penser à régler les problèmes de développement. C'est pourquoi ils ont créé le G5 Sahel, n'est-ce pas C'est pas seulement pour faire la guerre, c'est parce qu'ils ont compris que, en fait, pour mieux lutter, il faut faire la guerre aussi, mais il faut, il faut donner des emplois aux jeunes, il faut régler les problèmes de développement. Ils l'ont compris, ces pays, n'est-ce pas Mais ce que Déby a dit, Déby a dit que ça suffit comme ça. Mais c'est un scandale ce qui se passe. Comment se fait-il que des pays vont mettre en place des troupes qui vont combattre euh, Boko Haram et qui vont être pratiquement sur le territoire nigérian parce que les troupes nigériennes sont parties jusqu'à gérer des, territoires en pleine, des villes du Nigeria. Le Nigeria a géré Damasak. Le Niger était à Malafatouri, ils ont géré cette, administration-là. Comment se fait-il que la communauté internationale peut regarder ces pays-là dépenser dans leurs propres, des pays pauvres, dépenser de leurs propres ressources pour faire cette guerre-là. Alors que sur tous les champs de, toutes les conférences, on raconte que oui, c'est une guerre mondiale, le terrorisme menace tous les pays. Donc il faut, donc j'ai dit, ce que Déby a dit, ce qu'il faut que les gens réfléchissent. Les pays ne peuvent plus. Déby aujourd'hui, il fait face à des, à des situations d'arrêt de salaire dans son pays, ce qu'il n'a jamais connu. Des arrêts de salaire au Tchad, un pays prospère. Donc, il se dit que bon, écoutez, je ne peux pas continuer à faire, je peux protéger mon territoire. Mais pour partir protéger d'autres territoires avec mes troupes, il faut quand même que la communauté internationale me donne quelque chose. L'Union africaine doit réfléchir parce qu'en Afrique, il y a des pays qui sont riches, plus riches que les autres. Eh bien, l'Union africaine doit se réunir d'abord, dire à chaque pays, en tout cas les pays qui ont de l'argent, de contribuer et aider les pays qui sont au sein du bassin de la Vous voyez ce qui s'est passé récemment, concernant même la, la force du G5 Sahel. Les pays demandent une résolution des Nations Unies et on leur donne une résolution complètement alambiquée où on dit que oui, d'accord, oui, euh, on est, euh, oui, on, on, on, félicite, enfin, on soutient la force euh, du G5 Sahel, mais il n'y a pas de mandat de l'ONU. Et s'il n'y a pas de mandat de l'ONU, ça veut dire que l'ONU ne va pas décaisser. Et entre-temps, on a fait une sorte de... On dit, oh oui, on, on, on, on donne mission au secrétaire général Antonio Guterres de voir les voies et moyens pour permettre d'aider au financement. vous voyez l'hypocrisie de la communauté internationale. D'accord, Garé, nous hein? allons poursuivre euh, avec euh, Nalanda, la région d'Agadez, à 150 km euh, au nord de Dirkou, où 75 migrants ont été localisés, nous a rapporté le comité de, localisation des immigrés clandestins morts ou égarés dans le Sahara. Ils auraient été abandonnés par des passeurs entre les localités de Segedine et de Dirkou sans provision. Euh, leurs corps ont été découverts par les autorités. Les 23, 23 d'entre eux ont été sauvés et conduits au centre médical de Segedine. Donc, euh, on constate que ces derniers mois, d'autres corps ont été découverts dans cette même région. Alors que des dispositifs sont présents pour contrôler les déplacements des migrants, comment expliqueriez-vous euh, ces situations auxquelles on assiste je pense qu'il y a, je sais pas, deux semaines ou trois semaines, on a déjà fait ce débat-là sur ce plateau. Moi, je considère que c'est un phénomène, toutes les mesures qui sont en train d'être prises là. Ça ne peut pas continuer les gens. Ça peut pas. C'est vraiment que les Occidentaux disent on va vous donner de l'argent pour que vous empêchiez aux gens de passer, pour aller se chercher. La personne est là, sans aucune perspective. Et c'est ça. On met des moyens de contournement, on prend des mesures pour éviter que les gens passent, mais les gens vont toujours trouver un mécanisme pour contourner le dispositif là. Et c'est ça qui est en train de se passer. Quand c'était un peu machin libre, les gens allaient, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, on est venu, on a dit, bon, voilà les mesures répressives qui sont là. Quand on prend, par exemple, les passeurs, les chauffeurs, tout ça, ils vont en prison. Il y a des peines d'amende, des amendes, des peines, machin, de prison très lourdes. Mais ça va pas, parce que c'est leur gagne-pain. Et ceux-là qui décident de quitter, ils n'ont pas décidé de quitter parce que tout simplement, ils ont décidé parce qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune perspective, il n'y a aucune alternative sur place. Quand on n'a plus d'alternative, on fait quoi Quand on se pose la question, quel que soit le risque, quel que soit, ils savent bien qu'en affrontant le désert, ils s'exposent à des risques. C'est des centaines et des centaines de kilomètres qu'il faut traverser. Et souvent, les gens qui vous font passer, c'est des gens qui connaissent même pas bien le chemin. Voilà la situation telle qu'elle se présente. C'est une zone, la zone de Bilma, je connais, j'ai été, je sais de quoi il s'agit, je connais Seguedine, tout ça. Mais on ne peut pas, avec la répression, mettre fin à ça. Ce qu'on doit créer, créer les conditions pour que les gens puissent rester chez eux. Et comment créer ces conditions C'est créer les conditions pour que ces gens puissent accéder à l'emploi ou développer des opportunités pour trouver à manger, pour pouvoir avoir un minimum de bien-être. Mais tant que les gens n'ont pas ce minimum de bien-être-là, ils vont continuer à s'exposer. Et quelles que soient par ailleurs les dispositions qui vont être prises, on va continuer à assister à des morts dans le désert. Donc, euh, Arimi, brièvement, oui, c'est aussi simple que ça. Hein. Toutes ces choses sont liées. La guerre, euh, la migration euh, et tout autre euh, comportement néfaste des populations, c'est très lié. Euh, parlait de Dirkou à Segedine. J'ai effectivement fait ce trajet-là, en fait, depuis Niamey jusqu'à au-delà de Segedine, dans le cadre de la réalisation de mon film Passager du désert. Je sais de quel désert il s'agit. Et quelqu'un qui est abandonné euh, entre Dirkou et Seguedine, il n'y a aucune chance, 200 km, c'est la mort euh, garantie. Mais pourquoi les gens sont abandonnés aujourd'hui C'est parce que euh, les, les, passeurs, ou ce qu'on dit passeurs, parce que c'était un travail qui existe dans la région depuis la, la, nuit du temps, c'est-à-dire faciliter la traversée de ce désert-là, parce que c'est des gens qui maîtrisent le désert de fond en comble. Mais ils abandonnent quand ils sont ou à court de carburant ou ils risquent de tomber sur une patrouille. Et il faut le constater, depuis que les mesures ont été durcies, il y a beaucoup plus de morts. Sinon, les derniers morts remontent à, euh, à 2012, quand il y a eu les 2013, quand il y a eu les 92 morts. Maintenant, on enregistre facilement 20 morts, 25 morts, les 6, 7 et autres. On ne peut même pas en compter. Mais ça ne va pas cesser. Parce qu'il faut le reconnaître, chez nous, ça ne va pas. Il n'y a personne qui part pour mourir. Ces jeunes qui meurent, il y en a qui sont à leur septième, dixième tentative. Ils meurent. Et demain, leurs petits frères vont encore partir. Parce que, moi, ils m'ont, j'ai discuté une fois avec eux, et ça se résume à cela. Ils disent que de rester mourir chez moi, devant mon père, devant ma mère, devant mes parents, vaut mieux essayer quelque chose et mourir. Quand ils voient les, affiches faites par certaines organisations dans le sens de les décourager, à la sortie de la gare d'Agadez, ils disent que ça les fait rire. Ils disent qu'on dirait qu'ils aiment la, on aime leur vie plus que eux-mêmes. Ils disent qu'ils savent qu'ils vont mourir ou qu'ils risquent de mourir, mais qu'ils partent. D'accord, euh, merci Arimi. Juste, euh, vous avez une minute pour je suis euh, réagir. Je suis d'accord avec, avec ce que mes deux confrères ont dit. Arimi connaît bien le sujet parce qu'effectivement, il a fait un film poignant sur ça. C'est-à-dire qu'il faut dire que pour les, les, candidats à l'immigration, quand ils quittent chez eux là, le retour à la maison n'est plus possible. C'est-à-dire que plutôt mourir que de revenir à la maison et échouer. C'est-à-dire que je pense que c'est pas ça qui va du les gens. Les gens vont continuer. En même temps qu'on a découvert les morts là, il y avait des convois qui se dirigeaient. Hein. C'est ça qu'on ne dit pas aux gens. Et il y avait des chronographes qui se préparent en même temps, dans des 4x4 qui vont partir. Les gens savent qu'il y a le risque. Ils savent que c'est de la tombola, mais ils sont prêts à partir. Donc, je pense que il faut que, au niveau de la planète, qu'on puisse plus redistribuer les richesses. Il faut que les pays, les grandes puissances, ne puissent pas continuer à exploiter les pays pauvres. Parce que c'est ce qui se passe. Cette colonisation cachée là, qu'on puisse laisser les pays profiter de leurs ressources minières. Si on fait ça, s'il y a plus d'égalité sur, le plan, mondial, je vous assure que les, immigrés ne vont pas trouver le moyen de partir à l'extérieur. vous le savez tous, euh, Abdul Razak Issouf Alfaga a remporté la médaille d'or dans sa catégorie hier euh, lors du championnat du monde de taekwondo à Muju en Corée du Sud. En effet, cinq autres combattants nigériens prennent part à ces compétitions. Il s'agit d'Ismaël Garba Hamza Suleiman, Taket euh, Ben Youssef et Abdul Banya. Ces deux derniers, Taket et Banya, ont disputé leur combat aujourd'hui même vendredi. Euh, est-ce que dans vos pronostics, Alphaga était favori Mais bien sûr qu'il était favori, parce que voilà un jeune quand même qui a pu décrocher une première fois une médaille de bronze à l'extérieur dans un machin, dans une compétition de haut niveau et qui a décidé quand même d'aller encore défendre les couleurs nationales jusqu'au Japon. Je pense qu'il faut lui tirer le chapeau. Et il faut aussi se dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de talents comme ça, comme Alphaga dans ce pays. Mais malheureusement, c'est la prise en charge le problème, c'est l'encadrement le problème. Quand il reste ici, au bout d'un certain temps, il, tombe, comme on avait dit, très bas. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de soutien. Alphaga, s'il a pu être à ce niveau-là, c'est parce qu'il n'a pas été encadré localement. Il a d'accord débuté ici, mais c'est à l'extérieur qu'il a continué sa formation et c'est ça qui a forgé son mental pour comprendre que le Niger n'est pas forcément, euh, comme avait dit, euh, un défaitiste, que le Nigerien peut se battre sur n'importe quel continent et remporter des victoires. Et c'est ça qu'il est en train de démontrer. Malheureusement, dans le domaine du sport, je parle sous le contrôle de l'armée qui est là. <laughs> malheureusement, quand vous restez ici, quel que soit le niveau que vous avez atteint, un beau jour, vous allez chuter brutalement. Et tout le monde va vous oublier, vous allez tomber dans l'oubli et de manière définitive. Il y a beaucoup de sportifs comme ça qui ont qui, se sont éteints, si vous me permettez l'expression. Arimi, est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ces performances Non, euh, c'est notre euh, coup de cœur, nous, Nigériens. Depuis deux ans, c'est le meilleur Nigérien, n'est-ce pas Toute euh, discipline, tout, tout, tout, tout, secteur confondu, c'est le meilleur Nigérien. il n'y a pas mille secteurs où les Nigériens, un Nigérien est premier mondial. Hein je crois que c'est le seul pour l'instant. Et ça, euh, il faut le saluer. Mais il faut constater que c'est un sport euh, individuel, le taekwondo. Donc l'investissement personnel du bonhomme, l'investissement de sa famille, l'a d'abord amené là où il est. Il a certes eu l'accompagnement de, l'État, euh, il faut le saluer, mais c'est la même chose qu'il faut faire, mais aussi il ne faut pas, comme un sponsor, se contenter d'accompagner le succès. Je crois que le rôle de l'État, c'est de créer le succès. Les sponsors, les téléphonies et autres, c'est à eux d'accompagner. Il ne faut pas aussi perdre de vue, c'est l'occasion de le dire, qu'aujourd'hui le sport, c'est une industrie. D'ici peu, Al-Faga va pouvoir se supporter lui-même et supporter d'autres. C'est donc un pôle économique qu'on crée en la personne de faga Il ne faut pas attendre que ça arrive par hasard. Il faut pouvoir être conscient de ça et créer. C'est-à-dire, de la même manière qu'on envoie des enfants à l'école, les enfants qui choisissent de faire du sport leur métier, il faut les soutenir jusqu'au bout. Donc c'est de cela qu'il s'agit. C'est un signal fort qui nous est envoyé. Si on laisse l'étoile de, de, s'éteindre tout seul, on aura énormément perdu. Tout le monde est parti de là et nous avons l'occasion de partir. Aujourd'hui, dès qu'on verra un taekwondoïne nigérien, on dira attention, il vient du pays de Alphaga. Et ça, c'est extrêmement important. D'accord, Gary. Qu'est-ce que cela signifie pour le Niger, cette victoire Qu'est-ce qu'elle signifie Ah non, mais pour pays euh, euh, vraiment, tout ce que mes confrères ont dit, je ne veux pas ajouter, je suis entièrement d'accord. Euh, Issouf Alfaga, c'est le rayon de soleil du Niger. Euh, dans ce contexte où l'atmosphère euh, euh, des débats est polluée, il apporte de la fraîcheur et de, de la lutte Et, vraiment, nous sommes trop fiers. Et moi, j'ai deux recommandations à faire pour ne pas trop retarder le débat. J'ai deux recommandations à faire. La première recommandation, c'est que l'accueil qu'on lui a réservé quand il était venu des Jeux Olympiques, lorsqu'il avait cette médaille, euh, d'argent, cet accueil-là, il faut qu'on en fasse un accueil encore plus grand quand il va rentrer au pays, puisqu'il est champion du monde. C'est le seul Nigérien champion du monde. Comme l'a dit Armi, c'est le, Nigerien exceptionnel, c'est le premier. Donc, deuxième chose, moi j'ai dit, il faut qu'on arrête de, de, de, de, célébrer quelqu'un quand la personne est décédée. On peut rendre hommage à Alphaga de son vivant. Il est jeune et ce serait un bon signal pour les jeunes. C'est pourquoi moi je préconise que l'Académie des arts martiaux porte le nom de Isif Alphaga. Il est jeune, le premier champion du monde de son vivant qu'on puisse l'honorer, qu'on dise que l'Académie des arts, ça sera l'Académie des arts Issouf Alfaga. Ça, c'est un signal très fort qu'on va donner à la population, qu'on va donner aux jeunes. Et je pense que si ceux qui m'écoutent sont, euh, actuellement câblés sur les, zones de Kalangou, ils vont en tenir compte. Merci Garé. C'est sur ces mots de sport que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 30 juin 2017. Nous étions avec euh, Arimi Abakari, journaliste du groupe Alternative, Husseini Issa, journaliste indépendant et Garé Amadou du quotidien La Nation. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous lundi 18h15 avec une autre thématique sur le studio Kalangou. Au revoir.